3, 2, 1, 0. Sannu sannu kwana nesa sannu bata na zuwa. Allah ka kara kasanta rabbana rayyanka. To aran gaba ka gina bene gina ganda ciniyon bene ciniyan ganda labo su cina Bonjour ou bonsoir sur la disposition du soleil par rapport à la terre et bienvenue sur votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne. L'émission s'intitule Tous à la Fada. L'émission de cette semaine traite de la problématique des concours d'entrée à la fonction publique du Niger Entaché d'irrégularité. Il vous souviendra que nombreux concours d'intégration pour être fonctionnaire au Niger ont été dénoncés, notamment par la presse et les services en charge de la lutte contre la corruption telle la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Alcia, on peut citer le concours du ministère des Finances qui a concerné 452 fonctionnaires recrutés en janvier 2016 et le concours a été annulé en octobre 2016. Neuf mois de fonction en principe après. Ou encore le concours du ministère de la Santé. C'est en juin 2015 que le ministère de la Fonction publique avait organisé le dit concours sur demande du ministère de la Santé qui avait un besoin de 1831 agents de santé. Ce concours a été abrogé à peine les résultats connus en début d'avril. En première partie, Rabi Lasta vous a briefé de manière générale sur les irrégularités constatées moi je discuterai plus en profondeur avec mes invités sur leurs conséquences ainsi que les alternatives qui s'offrent aux victimes en pareille situation. Pour cela, je reçois monsieur. Ils vont se présenter, mes amis. Vous allez bien savoir comment est-ce qu'on vous appelle, monsieur Sani. Mansani. Nalam Mansani, tu vas bien Oui, je vais bien. Je vous souhaite la bienvenue au émission. Ah, merci, Je suis aussi avec un autre invité. Il va se présenter. Euh, Ousmane Cheibou. Ousmane Chaïbou. Monsieur Chaibou, nous vous souhaitons la bienvenue. Les irrégularités liées au concours d'intégration à la fonction publique. Conséquences juridiques et solutions d'atténuation pour les victimes. 35 minutes d'échange sur ce thème avec euh, en pause quelques notes musicales et notre chroniqueur Mr Olivier sera certainement de la partie pour nous parler de tout ce qui fait le buzz sur la toile. Tout ça la fada, c'est parti les irrégularités liées au concours d'intégration à la fonction publique, conséquences juridiques et solutions d'atténuation pour donc les victimes, tel est le thème de notre discussion du jour avec nos invités. Justement, plusieurs concours ont été annulés car les faits ont révélés par la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. saisies par les candidats malheureux, écoutons les avis de quelques jeunes rencontrés par Farida Mamman. Suna ajewa ne amma dan tsammani amma su da kansu suna ga cewa kai ba za a basu ba saboda akwai abin da ake cewa corruption shine cin hanci. Mutane suna badawa kabun kuje ma cikin deje an zaɓi mutane 200 kenan waɗannan kuma kuɗin da suka bata ba mai maido musu kuɗin kuma sun yi riga sun yi asara. Kuma kullum gwamnati yana na gani ya kamata kenan ya sa ido ya sake tsari samu a tabbatar da irin waɗannan ababen saboda abun ya inganta. Bon, moi, je crois que sous le moment des dépôts des dossiers, les dossiers qui sont rejetés, souvent ce sont des dossiers incomplets. Quoi. Mhm. Et euh, le plus souvent, mais ce sont des problèmes de corruption là, qui s'annoncent toujours dans nos pays. Et vraiment, la question de corruption, c'était des choses vraiment qui n'est pas bon, surtout dans notre pays. C'est ça qui fait en sorte que les jeunes diplômés n'arrivent pas à avoir le, choix sur les, les emplois. Quoi. Et ce problème nous fait en sorte de d'avoir des jeunes désespérés qui ferment face d'être s'enrôler avec des terroristes. Si souvent, toujours il y a des terroristes. Donc, euh, ce qui fait en sorte que cette corruption fait face des, des choses là. Les jeunes désespérés toujours arrivent à se d'être avec des terroristes. C'est-à-dire tout ça là, c'était dit à lié au problème de la corruption quoi. Tony ni abin da zan iya cewa bisa wannan al'amari abu bai dace ba bai cancanta ba tunda ko ba komi muna ƙasa musulmai ne Nijar tana cikin ƙasashe wanda ake ilisa wasu ƙasashen musulmai kenan bai kamata ba a ce ana barin cin hanci da rashawa na ta yaduwa ko haka ba kenan abu ne wanda ya kamata a ce mu a matsayin mu na matasa mu kanmu ya kamata a ce mun kawo gudunmu mun yi yaƙi da wannan al'amura saboda in aka yi ce haka nan za a yi kai in ka samu ka ba da can hanci da shawaninka wanda bai kai ka karfi ba yana samun abin da zai bada shine abin da mu duba mu gani kannan baya ga haka kowa komi mun san cewa haramun ne a addinance in ka yi cin hanci kannan ka samu in ma hanyar abinci ce kake ganin kana nema ba a iya yin abu ba tare da an yi bincike kan shi ba to anan aya tambaya ita ce shin binciken da aka yi yana da kamshin gaskiya ko ko bai da saboda na samu labarin cewa ban da tabbas amma na ji an ce an gano abin ta gurbataccen hanya ne aka samu wannan sakamako da aka samu na konkur kenan an ɗauki matakin cewa a lalata shi bai zama aibu ba in kuma an yi ne don a ci zarafin matasa tunda a bisa alamu duka matasa ne ke rasawa in ma rasawa ce in an yi haka nan ne kenan kuma na an yi zalunci babu kyau Allah ne kawai zai shige mana gaba monsieur na Allah maman sani ni ma de hankan jene wuci yin hankun konko din te dina ni le alhakunda alhakan ni sam paske que borian gono kan inge bafuna kulno konkuro ne aussi to no sanne o kan jene wuci matano ni diaga tor sabu da kiwon karan tirse halir ga ah, furo eh, batara isi ba kalai kwanda yi wana eh, buyon foyon kan duwira inates mhm. iri wani soje kan irko bariya mai ko yiwi mhm. dan kirgo ga iri wana eh, kuma na pela iri wana fana tilasiyon la bose di wani fami isi mhm. or ko dai mi suya mai afa or kan cindir ko mir ko kolaboran dirse to ai maran sai amma ran fada o shayi sarafa shayo go ka mana ko zargana shayi ko bene abi be kandir se shayi zamni ne fada ine shayi sanni bo kal shayi wal kar kafe kande donc eh ayma iru wana jana yo kansalan yanse wana eh, mun kan mine gisi ino mm. wala me bora ga gisi hadde ba nun alama kan ni koy du bor fo kan niga niga no ayo nukandi nukandi oh mm. mais ka même kadai ni gisi di listo fata di ne tu es autorisé à concourir a sa eh, wato no no koy kici barkan wal mu baragin ke gane ni sen duk gisi mm. wal borani mm. mm. gisi se zan mutu kuno mutu bo kuno ka gisi ngo se fo iga gisi se mo no ko na ba mola donc bore numu si gan as gan mais bore mo gona kan fisibillahi ni koyi mi gisi imidu fisibillahi sono ni te concourant te concourant. ai ai nono te concours concours fo non te euh, récemment ai te concours récemment oh o kan de annulé kan de bagite o ke annulé o ai te o kan ai ngati ministère de finance o ki 2015 no ministère de finance ona de indi ne gamara ai gone moy zera mun gone moy zera ngono no ndu fondo kam barkan ne senem kan ne ngono concours o nugo ne giyat de woni sedindi ni gamara fada sanino considère que beaucoup sigmarsi se hadde gudu wodin dumi mm. ay ge gudu konko dan kone si idaren si ka goro ga salanga yitike mera tanga misal gano ni madanda ay maye danda wodo to misali nzo mm. wajanka monsieur Chebou vous avez écouté ce jeune qui est un modèle qui est contre la corruption qui est contre nous quand comme on le dit et vous avez écouté aussi ces jeunes qui sont aussi victimes de Nukando. Alors dites-nous, quelle est la procédure officielle qui s'enclenche après constat d'irrégularité liée à un concours d'État selon vous Oui, bon... Euh, euh, si nous constatons qu'il y a euh, irrégularité dans un concours. Oui, bon, avant de continuer, j'aimerais d'abord remercier la, le studio Kalangu mhm. qui nous a donné cette opportunité pour s'exprimer par rapport à, à, la corruption. Mhm. Et ensuite, Ensuite, euh, euh, j'aimerais une fois de plus euh, euh adresser mes condoléances euh, au peuple nigérien mhm. suite au drame de Dinates. Mhm. Donc, par rapport à, à, ce que, à votre question, mhm. puisque j'ai écouté les point de vue de ces jeunes-là qui sont qui ont été discriminés par rapport au concours, d'autres disent que c'est suite euh, à, un rejet de leur dossier. Le mhm. dossier a été rejeté. Mhm. Euh, euh, l'autre disait que, bon, eux, ils ne comprennent rien parce que peut-être il y a une liste qui a été dressée avant même le concours. Mhm. Donc voilà. Et ça, vraiment, il faut que les gens se suivent de près ce qui se passe. D'accord. Maintenant, si nous constatons qu'il y a irrégularité, est-ce qu'il y a une procédure qu'on peut donc euh, enclencher pour améliorer Oui, il y a une procédure juridique. Il y a une procédure juridique, c'est d'aller à, la commission la administrative qui est là, mhm, mhm. déposer la plainte et paraît-il que les jeunes qui étaient victimes de, cette situation mhm. ont procédé à cette euh, à cette procédure. Hmm? ils ont fait appel mhm. et là, jusque-là, ils n'ont pas eu gain de cause. Alors, qu'est-ce qui explique selon vous et donc euh, euh, euh, la lenteur Qu'est-ce qui explique selon vous pourquoi la procédure est non seulement lente à déclencher, mais aussi lente pour apporter des solutions face à ces irrégularités Lente, oui. bon, lente par rapport à cette situation, peut-être il y a un vice. Mhm on peut, euh, même si tu déposes, on peut prendre une certaine lenteur pour euh, pour pour amener les gens à abandonner la procédure. Tout simplement, une manière. justement. Je reviens mhm. à, la victime en question sur cette émission parce que nous avons une victime. Alors, Maman Sani na Allah. Euh, est-ce que Arne Fonde Ghana? pour que arma la ko ha parce que woné wo arangi ya la ko dine irregularité goni in fonko ina ina hayo himano im chechi bore kayan si fondar al bore kan nukan woni wote mais dine bora kulka est ce que ar waran fondi ngana pour que mar ndar la ko ida donc euh, kay go ke ci faman ni sai ni sai in mm. fonde kulkan kamata mm. kan do kan nirnu in mm-hmm. fonde din kul sambu mm. inga te wofu zawato kirma ina konkuro ren hayo ga annulé ina lettre mm. ministre mm. recours gracieux qui il il n'a déposé après qu'il eu 30 jours mhm. épuisé mhm. il dit qu'il m'a eu un cabinet sambu il le cabinet quand kamata am kondiri hinu mhm. halim un procéder. état in Un cabinet à conseil d'état à saisir. Il a qui tire de communauté Gamara. Envoyez nous au 80 06 88 54 pour réagir et recevoir nos contenus. Alors, puisque nous sommes jeunes, nous sommes à la FADA. Alors, notre sous-inspiration, c'est de la musique, comprendre de l'énergie. Sœur Mahanganir, artiste, c'est Zamoneo, Labunag, Nakasandi. Et tout de suite, la suite. wani kan manta cimicin ga bisa. Cin ka fara za a kwai lamba, ai kuli kan manta cimicin ga bisa. Cin ka fara za a kwai lamba, mun ga Les irrégularités liées au concours d'intégration à la fonction publique, conséquences juridiques et solutions d'atténuation pour les victimes, pour en parler. Nous sommes donc avec monsieur euh, Naala Mamansani, le secrétaire général. Il défend les intérêts matériaux et moraux des camarades qui ont été victimes euh, donc des, des, concours annulés. Ok. Nous sommes aussi avec monsieur Chaibou, secrétaire général de l'ODTP, Organisation pour la démocratie, transparence et patriotisme. Parlons, si vous le voulez bien, des conséquences et des sanctions éventuelles liées aux irrégularités des concours. Nous avons vu en cas d'irrégularité constatée lors des concours, la première des décisions que prennent nos autorités, c'est l'annulation pure et simple du concours. Vous qui avez subi de plein fouet ce type de décision, quelles en sont les répercussions sur votre vie? parce que ine boranga uh, hiji ne nge du konkuro hiji boren gon kan yange mo nge go karai go nan im kai mate im furgo onera handu yag bandi in ka gora wani masal du mana gi kan akwai masala eh masala kirwo du mm. sini ne me ben gani me ben gani zama iro irmo bai mila hala borga tun hunkuna handu yagga banda hali tenis e mise en sol in ensemble fonctionnaire mm. ka kan hando folluno cindi dina hando fadin ka igin titularise te fonctionnaire mm. Ka kan a bango yahayo mm. iri di eh, gwamnati wana e kinfuno ingati premier ministre iri diya ifo na anirse anirse wani ko koyi lakale kanandi mm-hmm. asin gate bumbono imne im konkuro anile yani charan se wani wo bi yaran mar la kale kana wali laran kana daran bu modi kana di naran girban din apre no kir bay kan apre kina ka an nil bay kinir girban din o oh, man taran la kale ni oh, kana di bu aran bu modi kanan ina aran salle oh, danka eh lalle wani wo dume mm-hmm. an ka kan ne masala ka kan ne giti danga talkatara ki wo mila talkatara ki wo mila Mm. ima bonza asin ga bonza zaman kuna iba iman ba talkai ne ya kare talkai ne ya kare ya matasai no bare kan irwo irbadai irbadai 75% de la population wallahi irbadai in mm. kuna bu kan ina konkuro den hayo wallahi ne sai gize dir ko boriyan situation barmai Je vais un peu ajouter quelque chose par rapport à, à ce qu'il a dit, M. Mamassani. Mm-hmm. Les répercussions sont sont tellement énormes. Mhm. <clears throat> Imaginez euh, euh, quelqu'un qui a l'espoir, puisque elle a vu son nom sur la liste des admis. Mhm. Et donc, de là, elle peut faire une programmation pour toute une vie. Hein? Elle fait sa programmation et il y a l'espoir de toute, toute sa famille repose sur lui. Mhm. Et un jour, on vient, on casse tout ça là à travers un arrêté pour annuler le concours de kwai hmm. De hmm. puisque la lutte contre la corruption ça passe par là hmm. la lutte contre la pauvreté ça passe aussi par par la détention d'avoir euh, un emploi du moment où les gens nous aujourd'hui tu fais un concours et tu es, admis à ce concours et demain on te dit non le concours-là, il est annulé. Comment tu peux expliquer ça Donc, il y a un problème. Il y a un problème sérieux du moment où c'est toute une vie qu'on est en train de saper. Et c'est tout un, un, rêve qui est en train d'être coupé. C'est tout un rêve qu'on a coupé pour, euh, pour euh, euh, ces jeunes-là. Donc, là, peut-être c'est de revoir la procédure. Et euh, l'efficacité de la chose, comment on peut organiser la mise, euh, l'organisation des, différents concours. Donc avant d'annuler, de faire euh, tout, qu'il n'y même pas de corruption. oui, qu'il n'y même pas de corruption. il, faut toujours s'assurer. Il, faut bien tamiser. Tamiser, s'assurer. Oui, justement. C'est ça. Oui, oui. Mm. Mm. Parce que le problème de Mais parce que

to numa de hankande auditeur ne ane son hayawo mat kande son dani sanno tonandi no ne promesse electorale angamo aye ge kande sanno koyne ani mara ha hal annulation o mat karan waran din ina e annulé de no parce que adel tigara i e constaté wol mo akani se de no e tuni naran ka ngoy gora wallahi fundu bay fundu bay ko lam wallahi fundu bay ay gizedir koy itundeno putu folo ina o aram bay ina ka wol mo bin no parce que kuna nisin gane se hankan ga goy de kito dine kitu la bise kulaf mais akora sonda ne se bo bora kontono nugo après ni ka bori kante tani ga sek vidir ke bori iddo de kulki ka amma bor no sir misali ga ni fat ni wonu diki bombor bore iddo din kanyen deja goni jine in bar ni jine goyora parce que de ni jine za concours ra sik vidir ke ba gora fu ni jine no ndi kan bore ni kan ci an cionte in more eh din hanga ne sam bore ay man ne kala babor fallon nodu ne me hanga ferto ay man ne kal ba bor fallan noydu okay. in fannu bor fallan kadin kantu hmm. wo kan yan i wog mila kan i wona admission a gonda problem im ko ga tu iro woni ninki mm. woni ne wari im tiersi ka parka e dai dun dun hangan gbor wo kai kini se gane kirka ki tufo do conseil d'etat mm. bora kan ga hagoyi da gwamnati wani alhako amma ne kilinga mun bai diya mun bono statut de l'application de la fonction publique nan kini em konkuro kulka nem sen nem mese shebu continue salo bo mese shebu no matono ndi sano oga est-ce que sont shire tunde no achina ina haiwa ina haiwa ina haiwa ka parce qu'ils veulent juste annuler ou bien c'est le concours est véritablement taché d'irrégularité oui, mais quand même, elle ne peut pas se lever un jour mhm. pour dire aux gens ça. Ah, le concours là est entaché d'irrégularité sans autant au préalable faire hmm. euh, un audit ou bien une enquête par rapport à tout ce qui s'est passé. J'espère bien que tel est le cas. C'est-à-dire, ils ont, ils ont euh, audité la procédure et ils ont vu des irrégularités. C'est pour cela ils ont annulé le concours. Hmm. Mais si c'est par passion qu'ils ont annulé, parce par, puisqu'il y a tellement de, victimes de cet arrêté, d'annulation de ce concours, qui disent que et eh, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien parce que peut-être hein, il y, a, y a des noms qui ne figurent pas sur la liste des admis, peut-être c'est pour cela on a annulé. Ils ne comprennent pas parce que peut-être euh, euh on espère voir certains individus ou bien certains candidats dans la liste, mais ils ne faisaient pas partie. Donc, euh, euh, c'est ça. Mais c'est pour cela que nous, on interpelle toujours les autorités. Qu'ils soient vigilants, puisque le Niger, aujourd'hui, ça appartient à tout un chacun, mhm. à tous les Nigériens le Nigérien appartient à tout et chacun. Euh, Fraternisons, progressons, euh, travaillons dans la paix et l'unité nationale. On va s'enjailler en musique, on va prendre une petite pause, Monsieur Chaibou. On va kiffer comme ça se doit. Ayman, puisque nous sommes jeunes, on va aller avec Waye et tout de suite, la suite. nessa, nessa nova arma, nessa, nessa nova arma, nessa nova arma, nessa nova arma, nessa, yeah. Kawa sugaye, gaye, baya gara sunalaye, daye, indana jaye, nijera faya zama maraye, inara faya kare, harma wa ensu na tema ni maye, maye, isa pojo na haye, sa iye waka sen safe ya waye, eh, yare ya sauye. Vous écoutez toujours tout à la FADA. Nous sommes actuellement au ministère de l'Emploi, ergo tableau d'affichage, pour parler avec nos invités du thème les irrégularités liées au concours d'intégration à la fonction publique, conséquences juridiques et solutions d'atténuation pour les victimes. Avec euh, nous, monsieur na Allah maman Sani, secrétaire général de Borekayan, était victime concours finance. Il faut que Nous sommes aussi avec Monsieur Chebou, secrétaire, secrétaire général de l'ODT. L'ODT, c'est. L'ODTP, c'est. Organisation pour la démocratie, transparence et le patriotisme. Puisque vous parlez de transparence, parlons à présent des mesures d'atténuation pour les victimes de l'annulation des concours. On a compris à travers la dernière question que l'annulation des concours entachés d'irrégularité s'appliquait de manière générale sans tenir compte des personnes impactées. Mais qu'aurait pu faire l'État pour atténuer cela et trouver au moins une solution pour apaiser les victimes, M. Chaibou oui, mais moi je propose à ce que l'État revoie la liste des admis et de, de ce concours-là qui ont été annulés. Peut-être elle peut les accompagner en attendant un autre concours, il peut les accompagner par rapport à la mise en place des structures, des activités génératrices de revenus, puisque c'est des gens, ils ont déjà fait leur programme. Ils ont déjà eu l'idée qu'ils sont là en tant que fonctionnaires de la euh, fonctionnaire public. Donc, euh, ils se sont aussi euh, engagés certainement. Sont, plus se sont aussi, oui, justement engagés. oui, oui, avec avec leur famille, tout, tout ça là. il faut revoir ça. Mhm. Peut-être c'est de voir la liste là, mhm. si l'État peut les accompagner oui. à travers les activités génératrices du, du revenu ou bien de les orienter vers un projet qui peut le soutenir. Et là, peut-être, ça va alléger certaines choses. En attendant d'autres concours, j'ai sûr que l'État a besoin de, d'autres concours vont, vont s'ouvrir. Peut-être, euh, si euh, elles reviennent, elles peuvent euh, passer directement hmm? ma dan kan norki to woni fondo do fondo fonde ni ma sam pour karam fondo ara la kera parce que burkina adu concours agara in kagora amanti ifo de ifo no perspective fondo do fondo fono no ni misalu ni diyan woga ci yan fono nu gonda pour que aram fur ara ala kera la bomu du koy de bajina eh to <clears throat> ay ga aran fongan kan iro irna cito banani da gomnati ne gomnati l'etat a parfaitement raison irban kito da gwamnati gwamnati ne a wanda kimi irisin mm. da kimi ya da no eh, jujoki to so aro aban da no aban to so ka aban bare ma irin kito san mun konda sai da yawo amma Niger wa aban to da ne wo Niger wa aban oh. ifu dina imam te pour que woni oduma am sege fi eh wo kai kamati mi te ya bai Ça, c'est un point sensible qu'il a touché. vraiment, on invite à l'État que, mm. euh, ou bien à la Halsa, mm. de nous avancer à ce genre de situation faut mm. pas directement imputer la responsabilité ou c'est les acteurs, les organisateurs qui, doivent être sanctionnés. Euh, parce que euh, hein. pas quand même ceux qui ont eu le concours. Le concours. On va dire qu'on va annuler. Non, il faut situer les responsabilités. Si tu es qui a, qui a fait quoi, qui, a, qui, est, qui est dans la sauce, si tu, si tu es eh, ouais, s'il faut le condamner, il faut le condamner. S'il faut le prendre, il faut le prendre. Mais pas. Eh, on va, faire, on, va, faire, un procès. Hmm, Mesdames et messieurs, hmm. on va aller avec, euh, bien évidemment, Black Souman du Burkina Faso. On va aller avec un procès. J'étais au procès où le présumé accusé avait pour le monde des juvéniles. Sanctionner les vrais auteurs. La suite. Quel genre de mal social Alors à l'instant, c'est Black Suman qui donc annonce Mr. Olivier. Ok, Mr. Olivier, je souhaite la bienvenue. Tu pètes la forme ou c'est la forme qui te pète, mec Les deux, mon grand frère. Comment vas-tu Alors parle-moi un peu de ce qui fait le buzz, le buzz ou le bout, si tu veux. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est pas avant-hier. C'est C'était très longtemps. Ok. Il y a quelque chose qui dérange les jeunes sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette chose La présence française ou la présence des forces armées françaises. Je suis allé à la rencontre de certains jeunes qui nous expliquent pourquoi ce sentiment de rejet. Globalement, ce que je pourrais dire sur cette question, c'est de faire une observation de manière générale, en tout cas sur la politique de, nos dirigeants, en tout cas vis-à-vis de l'Occident. En l'occurrence, les pays francophones. En tout cas, quand vous essayez de faire euh, une aperçu, en tout cas de tous ces pays, les pays anglophones sont en train d'émerger en tout cas sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan économique. Euh, la France, en tant que pays, nous n'avons vraiment pas de problème avec cette France-là. Mais notre grand problème, c'est avec effectivement les, dirigeants français. Et ils infantilisent les dirigeants africains. Ces sentiments de frustration sont souvent nourris par des ambitions, ce qui fait penser qu'il peut y avoir manipulation des jeunes. Si déjà dans certaines localités, on observe des manifestations de jeunes élèves. Avant tout, il faut s'interroger sur les conséquences à long terme de ces sentiments. Deux jeunes étudiants, leur avis sur les conséquences de ce sentiment, on les écoute. Moi, je n'ai rien contre la France, je n'ai rien contre les Français. Ce sentiment est né d'une exploitation de cette coopération qui est la France-Afrique. La France-Afrique n'est rien d'autre que euh, cette possibilité qui est donnée à la France d'exploiter l'Afrique. C'est cette euh, impression que les gens ont de leur exploitation par la France. Et maintenant, ça serait à nous maintenant de proposer sur quelles conditions nous voulions continuer avec la France. Cette question d'un sentiment de rejet de la France n'est pas nouvelle et n'est particulièrement pas observée au Niger. Au Mali, par exemple, plusieurs voix se sont élevées pour dire à la France de partir. Le chercheur du groupe d'études africains de l'IPSE, l'Institut prospective et sécurité en Europe, Jean-Claude Félix Tikaya analysait la situation sur euh, la chaîne anglaise BBC le 28 novembre 2019. Retour sur cette intervention. Qui font et la suite après entre le recueillement et la reconnaissance de l'engagement des militaires, mais ce qui est demandé de la part du peuple malien majoritairement au gouvernement français, c'est de changer, de redéfinir les rapports de, la France à l'égard du Mali, du Burkina Faso, de la bande sahélienne et de l'Afrique. Ne perdons pas de vue cette question essentielle. Quel est le scénario dans le cas d'un retrait de l'armée française de nos pays Le chercheur répond. Mais malheureusement, on risquerait, on, risquerait le chaos parce que l'armée, euh, l'armée malienne euh, n'est ne, n'est pas en mesure seule ou, ou même avec euh, ses, collègues d'autres pays sahéliens, de, de, de vaincre et d'être confronté de manière, de manière positive et avec succès de, de, de combattre le terrorisme et d'arriver euh, donc à un succès qui permet de recouvrer sa, sa, sa souveraineté sur, sur le Mali, le Burkina Faso. D'ailleurs, ils appellent la Russie et d'autres pays pour remplacer la France, alors qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agit euh, de demander aux alliés d'être véritablement des alliés, que ce soit la France, à la Russie, et à la communauté internationale qui est une force qui soit similaire. Que ce soit au Niger, au Mali, bref, dans des pays où la jeunesse représente la majorité de la population, la négliger est un tort. On peut également conclure que cette guerre contre le terrorisme au Sahel est une guerre contre l'humanité. Seule l'union dans la sincérité pourrait amener la paix au Sahel. Merci, c'est la fin de cette chronique. Fraternisons, travaillons, progressons, Monsieur Olivier, donc euh, dans la paix et l'unité nationale. Alors on fait le dernier, on fait le tour de la table, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mon ami, tout à l'heure, euh, tu étais donc tout chaud, alors on va te laisser continuer avec tes propos. Sanedine, nous c'est comme ça, une émission au Banandi monsieur na Allah okay, mamman sani ai samu folon follon ne tonton ni tonton sanni follon ka danga digi bai ma bonzani ah. euh. di e kolo din ke si ne ina ina wallahi ma ka premature kiri diga e kole kuddan premature ne ko ne premature dibe ka im concours feri ne way diplôme de l'ENA woni kuli maka sigi citer se école école kan wala taw kan diplôme agon compétence gono UIT gono université régionale yengono gono ah. donc bi se kan se gane ENA ba service civic na ran ko gi si gane wai ina eh, bore ni jingi servir gina ga to gai maran servir man gano ta logo ifo nugo ga ta farigi ka wani ba kare mono go gi kyawun kura irban bore kan ba university point Oui, Monsieur Chef. Oui, mm. euh, euh vraiment, Maman Samy, il a tout dit, mm -hmm. mon collègue. Mm -hmm. Mais moi, j'aimerais faire un. Euh, vraiment, il faut que le gouvernement mm. cesse d'interférer, mm-hmm. d'intercéder mm-hmm dès les préparations du concours. Le gouvernement, peut-être à, travers les politiciens, mhm. il faut qu'ils cessent. Mhm. Parce que c'est le seul secteur où vraiment on donne les chances à tous les citoyens. Mhm. Tous les euh, citoyens de chaque contrée de, de ces pays. Donc on leur donne leur chance. S'ils font le concours, et s'ils ad, euh, admis à ce concours, il faut les laisser travailler. Donc, euh, c'est pas bon. Peut-être euh, à travers une enquête, on a décelé quelques euh, irrégularités. irrégularités dans la préparation de ce concours. Mais ils ne sont pas les fautifs. Merci, ils ne sont pas les fautifs. Il faut ils ne sont pas les fautifs. En principe, les fautifs. Il ne faut pas les, sanctionner. Oui. je vais devoir vous arrêter. Les, je vais devoir vous dire merci. Merci. D'accord. Et je mets un point. Mhm. Ah, donc à la phrase, parce qu'une phrase commence par une lettre majuscule, et se termine par un point. Alors je mets le point. Merci Monsieur Chebou. Merci aussi à Monsieur euh, Mamansani Merci à l'équipe technique euh, du, studio Kalangu. Merci à nos amis euh, auditeurs et auditrices des 41 radios partenaires. Ainsi prend fin donc cette émission. Retenons. Ine live tâcher d'irrégularité matkande ir invité kida im sanctionné boreka ima mi sanctionné talu nankan ago vrai auteur ingeni hima ima juke parce que bor fongon kanya igoyno idu concours din donc du coup dine imbora kultan bato lankara, problème gono borem gono kan ininga haya kun nono inge bafuna kullo concours ose di kayna annulé problème gono yadin ga di irrégularité gono nan kanchina ta logodin no sur ce c'était la machine et les humains restés en compagnie du programme du studio Kalangu machine Tolkit hey